Nous nous sommes levés en tant que collectif des impacts du terre de Rufus parce qu'il s'est passé quelque chose deux semaines avant la Tabaski. Apparemment, des indemnités de vulnérabilité, le fonds de vulnérabilité sont sortis. Mais notre problème, c'est que tout le monde n'a pas bénéficié de ça. On avait signé des protocoles avec plusieurs points qu'on devait satisfaire. Mais parmi ces points, s'il y a sept points que j'ai notés, un seul est, satisfait en ce moment. Et parmi et ce point-là, ce n'est pas tout le monde qui en a bénéficié, ce fonds de vulnérabilité. Les autres points, il y a des retards de paiement. Il y a certains qui n'ont pas été payés jusqu'à présent. Et parmi eux, il y en a ici derrière moi. Il y a le fonds de relogement. Euh, Ils ne nous ont pas encore donné ça. Le barème foncier doit être rétabli parce qu'on nous avait dit qu'il y avait un barème pour Dakar, un barème pour Rufisque, un barème pour Pékin. Mais le président de la République avait jugé que le barème de Rufisque n'était pas correct. Et un conseil interministériel avait été organisé par le Premier ministre d'alors. Donc vous jugez que ça a duré un peu. Ils ont organisé ce conseil interministériel pour changer le barème de refus. Jusqu'à présent, on n'entend plus rien. On nous avait aussi promis des terrains au lac Rose, alors que vous-même, vous savez que euh, en ce moment, lac Rose, reste des terrains, c'est peu. Donc, ces terrains-là, lorsqu'ils nous avaient promis ça,

waaw noonu lay nirool noonu lay nirool waaye ba mu amee ba tey it man dama ko muñ rek doy loo yàlla te xam ne lu am rek yàlla la sama borom kër gaañu na bàyyee nañ ma famille bi ñëw nañ ne sukkandiku ci benn këyit fay ma ci benn këyit ñi doy euh, un million deux cent mille yii maa si njëkk a defar sama dossier ñu ooma ma dem defar sama dossier monté lépp dem mairie defar lépp ñu ñëw ñu déposé ñu toog ba mu am lu mat weer ñu dellu ma owaan maire Niass ma ne naam amu ne ma sa dossier dafa am lu ci am problème léegi dañu bëgg ñu nga ñëw defaraat ko léegi léegi léegi léegi parce que dañu war a yóbbu dossier Dakar ma ne ah mu ma dellu jógee waat Dakar ñëwaat ñu joxaat ma këyit ma dellaan mairie ba ñëw defal këyit dellu ñëwaat joxaat leen ñu monté waat dossier bi waa koo monté dossier ne ko dama lay dimbale 1 million 200 mille ñaari atu yàlla mu leer na la kii dossier duggul xam nga fu mu dëkk xam nga foo ko mën a ooyee doo ko oo ko sa dossier duggul ñaari atu yàlla ma toog di leen xaar ma dem si madame caam ba ma leen di expliqué mu ne ma maam yéen bokk leen ci 1 million 200 ma ne ko ndax la mu ne ma waaw parce que yéen seen kër dafa amoon procuration moo tax léegi mënuñ leen a jox 1 million 200 mille parce que procuration bi moom moo signé woon dossier bi moo signé woon set bi nga montel ma dossier ñaari at yàlla mu leer na le man bokk ma si bu ñëwee du ma si bokk doo ma oo ne ma yow 1 million 200 mille yi defaral si bokk